Merci beaucoup. Euh, Alpha Cham, euh, secrétaire général du parti euh, Force Nouvelle, membre de la coalition Diomaï Président, et puis coordonnateur régional de Diomaï Président pour la région de Tambacounda. J'étais un ancien candidat à la présidentielle de 2024. Absolument. Aujourd'hui, nous pensons que le Sénégal franchit un cap un palier encore euh, nouveau dans le cadre de, la, sa maturité démocratique. Euh, devant le monde entier, nous pouvons dire que le Sénégal a servi une masterclass, une masterclass démocratique euh, qui montre que notre état de droit est vigoureux et qui montre la souveraineté du peuple qui a su faire le bon choix et le juste choix. Il a été question lors de ces élections, en termes d'enjeux, de noter euh, la victoire de la jeunesse. Vous n'ignorez pas que 75% de la population sénégalaise aujourd'hui euh, est âgée de moins de 35 ans. Donc la jeunesse s'est exprimée et s'est largement exprimée. C'est une élection où on a battu des records en termes de participation. Donc pour montrer la légitimité du président élu, euh, on ne peut que saluer aujourd'hui le choix qui a été fait. cette élection ressemblait beaucoup plus à un référendum entre le choix de la continuité euh, de ce qui s'est passé sur ces douze dernières années, ou le choix en tout cas de la rupture et d'avoir un Sénégal souverain et un meilleur Sénégal pour les années à venir. Euh, mes recommandations, je dirais que ce serait bien que, comme il a eu à le dire, que le président Diomaye euh, s'inscrive, inscrive l'action de son gouvernement dans la transparence, inscrive l'action de son gouvernement dans l'humilité, dans les valeurs, et dans une bonne gouvernance. Il y a une nouvelle façon de diriger un pays. On voit des présidents aujourd'hui qui ont su emprunter leur pays, les positionner sur un management public. Donc c'est une véritable révolution qui est attendue en ce terme-là. Les Sénégalais ont manifesté des priorités sur la vie chère, nous savons que euh, le panier de la ménagère est extrêmement compliqué aujourd'hui au Sénégal. Euh, l'emploi de la jeunesse est un défi sur lequel il faut se plonger et par là même, je dirais, il faut commencer par retravailler sur les axes de formation. Il faut retravailler aujourd'hui sur les possibilités de financement des projets pour amener un changement dans la manière d'aborder l'emploi des jeunes. Non pas que l'État doit être pourvoyeur, mais le Sénégal doit travailler à se doter de champions économiques qui, eux-mêmes, vont devoir porter le changement créer de la richesse et apporter des emplois. En dehors de ça, nous attendons aujourd'hui une bonne gouvernance en termes de lutte contre la corruption. Le Sénégal ne peut plus avancer et avoir un président qui dit « j'ai mis des dossiers sous le coude ». Donc la séparation des pouvoirs doit être une réalité. Donc j'embraye en disant que la quatrième peut-être recommandation que je peux donner, si je peux me le permettre, c'est euh, d'amener vite les réformes institutionnelles, notamment les réformes sur la justice qui sont tant attendues par les Sénégalais ah tey bu bees la mën nañu wax ne que ne tay moy bésu deug deug indépendance su Sénégal parce que euh, buñu falé falee Bassirou Diomaye Faye président cinquième président de la République dañ ko fal ci benn projet projet bobu synthèse bi moy projet souveraineté moy projet mom suñu bop mom suñu réew jëlaat suñu koom askan bi gis boppam ci li nga xamee ne que moom la ñuy liggéey donc euh, tey jii nii dañuy màggal bés bi parce que bés la boo xamee ne que ne rupture dafa nar a amee ji Sénégal changement dafa nar a amee ji ñu am nag ay digle yoo xamee ne que bu doon suñu sago président bi euh, dina ci teg ay jéego yu gaaw. Manam ci wàllu euh, état de droit ci walu démocratie ci walu ak ak euh, yelef doomu adama yi naka la def ba nga xamé ne que ne lële ñu te nga xamé ne que na fi xam dootu fi amat espoir le message bu fort le bo xamé ne que ne dañ ko lancé élection bi mëna né victoire u ndaw la victoire ou jeunesse parce que vous êtes sur 10 vous nañ 7 e au moins de 35 ans sur 10 Sénégalais donc moi vous la que jeunesse bi dafa jeunesse au delà du vote faut exprimer ou faire un vote utile vote pour nous, nous voulons un Sénégal qui change nous voulons un Sénégal souverain dañu bëgg Sénégal bu est en Sénégal bu bom gëm en Sénégal bu teg ay loxoom ci ay ressources Sénégal bo xamé Sénégal, que ne dañuy dotu ñu nek di tëj doomu aadama yi di toroxal sénégalais yi di leen emprisonner pour leurs euh, expressions politiques wala pour leurs droits en termes de droit de manifestation wala loo xamee ne que ne def nañ ko euh, ci exercer rek droit yoo xamee ne que constitution bi may lañ ko léegi nag ñun li ñu bëggoon tey jii nii mooy ñu jublu ci wàññi dundin bi dundin bi cher na cher na ba jéggi dayoo donc pour man loolu ci première mesure yi nga xamee ne que dañ ko war a jël am na élément tangible lu ñu si war a mën bi moy walu institution yi waratul nek justice kumba am ndey kumba amul ndey justice bo xamé ne que dañu ne ay dossier la jël teg ko ci conc bi président waratul waxé nonu donc séparation des pouvoirs dina ñëw et am nañ yaakaar ne que ne ay réformes sur ce plan là dinañ doon réforme yu gaaw yo xamé ne que dañ koy gis ba nga xamé ne que ne Sénégal dina gis bopam